les 42, je crois que c'est un réel motif de satisfaction. Et je veux en profiter pour féliciter l'ensemble des conseillers municipaux de quelque bord que ce soit qui ont eu à exercer leurs droit civique, qui ont eu aujourd'hui à donner corps à cette importante institution qu'est le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui a soulevé tant de passions, mais au finish, on a vu que ceux qui sont habilités à le fréquenter, à, la fréquenter, pour ne pas dire j'ai, se sont fortement mobilisés et nous espérons que son fonctionnement euh, sera pour le bénéfice exclusif des intérêts du peuple sénégalais. Hmm. Pape, quelle est la première appréciation que vous faites des premiers résultats hmm. Hmm. D'abord, euh, euh, merci beaucoup Pierre-Edouard pour l'invitation. Et puis, dans la même lignée que Walifal, mon collègue à droite, euh, se féliciter de ces résultats qui consolident les dernières consultations au suffrage universel. Les populations et les Sénégalais avaient répondu favorablement et massivement à l'appel du chef de l'État à, l'occasion de cette euh, révision constitutionnelle. Donc en toute conséquence et en toute logique, les représentants de, de ces populations viennent de consolider cette dynamique à l'échelle du Sénégal. Avec évidemment quelques surprise qui montre que cette tendance continue euh, à, répondre à l'appel du chef de l'État euh, à Dagana, mais également à Thiès. Et ici à Dakar également, même si euh, le, candidat, la, la, liste en tout cas Tahaoun Dakarou gagne, on note de façon très claire une réduction de l'écart considérable et qui montre que cette tendance qui s'était exprimée à Dakar, comme ailleurs dans le Sénégal, est en train de se poursuivre favorablement à l'appel du chef de l'État. Mmh. Bande Diop, euh, votre coalition qui remporte euh, la mer des batailles, parce que Dakar était scruté euh, et suivi par les observateurs, est-ce un résultat qui vous satisfait Bon, Pierre-Edouard, je dois d'abord adresser mes salutations à mes co-débatteurs, mhm. me féliciter aujourd'hui de cette victoire, remercier les Dakarois, les Dakaroises, au nom du président de Tahaou Dakar, Khalifa Abakarsal, et de toute la coalition. Nous féliciter de ce résultat parce que ce résultat dénote qu'aujourd'hui, que Dakar euh, conserve un peu son identité, renvoie à ses valeurs et aujourd'hui aussi attirer l'attention qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'élection. Nous étions vraiment dans une consultation euh, assez particulière. C'était vraiment une élection de haut conseil où il fallait choisir euh, des membres de Dakar qui vont nous représenter au niveau du Haut Conseil. je pense que c'est assez important. C'est pour cela que j'adresse mes vives félicitations à toutes les parties prenantes. Euh, remercier les élus qui ont participé à ce scrutin et qui ont délivré aujourd'hui ce résultat. Euh, euh, ne pas se tromper d'élection parce que, euh, effectivement, c'est la suite logique du résultat de la consultation citoyenne, parce que le référendum, c'est un, une consultation citoyenne. C'est pour demander aux citoyens de donner leur avis sur un projet bien déterminé. Ici, aujourd'hui, il s'agissait de choisir des, des mandants qui vont, qui vont représenter Dakar au niveau euh, de ce dialogue des territoires. Je pense que ça, ça dénote aujourd'hui que Dakar est ancré dans ses valeurs parce que ça, ça conforte euh, l'appréciation que nous avions faite en 2014. Ce n'est qu'une suite logique. Et aujourd'hui, avec le sigle Andedaro Dakar, nous avons accueilli une large euh, sympathie citoyenne avec tous nos souteneurs, tous les partis qui, sont venus spontanément s'identifier à ce sigle. Donc nous ne faisons que remercier et encore une fois suivre avec les Dakarois toute l'analyse euh, qu'il faut par rapport à, cette élection. Oui, et puis votre euh, coalition qui perd euh, Pékin et, et là, êtes-vous réellement en perte de vitesse mais je crois que non. D'abord, je, je, vous remercie de l'invitation. Je salue mes débatteurs qui sont là, mes grands frères. Et je félicite aussi les partis qui ont gagné, à savoir euh, Tahaou Dakar, Benno yakar et aussi tous les partis qui ont participé. Moi, je me dis qu'à Pékin, ce n'est pas une partie de vitesse, c'est peut-être euh, une confirmation. Je me dis que pour ces résultats, c'était tout sauf des élections. C'était juste un recensement des conseillers qui, euh, qui sont fidèles à leur parti. Je vous donne un exemple, tu viens à Pékin, on sait sur les 942 conseillers, nous savons que l'opposition a tant de conseillers. Ben Bokoyaka a tant de conseillers. Chacun appelle ses conseillers pour voter pour lui. Chacun sait ce qu'il a. je me dis que ce n'est pas des élections, c'est juste un recensement, une revue de, une revue de troupes. Donc c'est ce qui s'est passé et les résultats étant ceux qui sont, moi je me dis que c'est un peu désolant quand même. Mhm. Pourquoi je le dis Sur 150 hauts conseillers, on va compter à peu près 10 conseillers qui ne seront pas du côté de la majorité présidentielle pour une grande démocratie comme le Sénégal. Mhm. Moi, je me dis que c'est désolant. Il ne faut pas dire aujourd'hui les élections ont elles à gagner, ou autre à gagner, mais prenez le conseil, la constitution de ce conseil, comment ça va se constituer Sur les 150 hauts conseils qui seront là, 10 à peu près seront de l'opposition. Oui. Je que peut-être le président va rééquilibrer. Parce qu'il bah, va, il va nommer les 70. Attends, attends, hmm. les 70, nous, tout le monde sait d'emblée comment ça va, ça va être choisi. Il va prendre les gens qui lui sont favorables. Il ne va pas donner les 70 à, au PDS ou bien à Tahao Dakar ou bien à -Gis. Oui, Wali, on s'achemine vers un conseiller pratiquement monocolore. Hein? Mais écoutez, moi je crois que certains jugements, euh, pour moi, euh, c'est quand même assez, assez bizarre. Parce que bon, euh, est-ce qu'on peut... D'abord, M. le maire a bien débuté en disant que pour lui, ce n'est pas une élection, c'est une histoire de recensement, n'est-ce pas ou vient de confirmation du nombre de conseillers qu'aurait eu chaque parti ou bien chaque coalition. Donc, si aujourd'hui, au Félix, chaque coalition réussit à préserver ou bien à grignoter hein, pour, se renforcer et avoir plus de conseillers municipaux, comme lui l'a dit, et je crois qu'on euh, on ne peut pas parler ici de problème de démocratie. Euh, le fait que le Haut Conseil sera largement dominée par la coalition Ben Yakar, n'est que le résultat, hein, pour ne pas dire la résultante, vraiment des élections locales de 2014. Parce que l'électorat était composé exclusivement de conseillers municipaux qui ont été élus sur les différentes listes. Donc si la coalition Ben Yakar en 2014 avait largement dominé ces élections-là sur l'ensemble territoire, il n'y aurait aucune surprise à voir cette majorité fortement confirmé aujourd'hui à travers les résultats que nous venons de vivre. Mm. Donc, euh, moi, je crois que euh, la démocratie ne veut pas dire forcément donner une légitimité à ceux qui n'ont pas pu en bénéficier de la part des populations. Ah, moi, vraiment, c'est quand même ma première action après l'intervention. Après, après une Assemblée nationale presque monocolore, là, <laughs> une nouvelle institution également qui risque d'être exclusivement dominée mais est euh, Est-ce qu'on peut reprocher, hein, au, aux Sénégalais, en 2014, d'avoir élu les conseillers au niveau sur l'ensemble du territoire et donner une écrasante majorité à la coalition refuser ça, c'est refuser de reconnaître la liberté qu'ont eu les Sénégalais d'élire des conseils municipaux qui aujourd'hui sont en majorité dans la coalition Benoît Oui, sur la question, Pape. Mais cette institution ne sera pas monocolore pour une simple raison. Ils viennent dire qu'il y aura 10 représentants. Oui, 10 sur 150. Oui, on peut dire que c'est une minorité, mais elle n'est pas monocolore. Mm. Pour dire, les choses, pour dire les choses telles qu'elles sont, elle n'est pas monocolore. Maintenant, on peut se dire que oui, il y a une majorité écrasante. Cette majorité écrasante, c'est le reflet de la domination de la, du Beno Bokoyakar politiquement, fondée sur la confiance des Sénégalais et des Sénégalaises qui votent, et qui fait qu'on domine les 42 départements à peu près sur les 45. Donc c'est ce reflet. Mais c'est justement pour rectifier ça que une partie de ces, de, ces, de, ces, de ces conseils, en tout cas qui composent le Haut Conseil, sont nommés parce que la vocation du Haut Conseil n'est pas simplement un espace de délibération politique qui peut avoir parfois des aires politiciennes. Mais il y aura également des experts en matière de décentralisation, des personnalités fortes qu'on connaît sur le sujet qui vont composer cette assemblée. Voilà la lecture, moi, que j'ai de, ce que devrait être demain le, ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui, euh, monsieur le maire euh, Bande Diop, les résultats de ce scrutin reflètent-ils la réalité de la cartographie électorale de notre pays Hmm. Bon, à savoir, c'est bien au qui domine de manière outrancière. Je, reste perplexe. Hein. Je reste perplexe parce que c'est une euh, victoire peut-être euh, alambiquée pour laquelle il faudra avoir une autre, euh, une autre lecture. Parce que déjà, pour une assemblée où 70 personnes ou bien 70 représentants sont déjà choisis par le chef de l'État, contre 80 choisis par les populations, on peut éventuellement s'attendre à, à, une assemblée quasi monocolore avec les résultats aujourd'hui que nous avons. Mais ces résultats-là, pour moi, doivent être euh, appréhendés de manière beaucoup plus, beaucoup plus rationnelle. Euh, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, dénote pas que Beno Bok euh, est largement majoritaire dans ce pays-là. Parce que c'est quoi le Beno Bok Le Beno Bok aujourd'hui, c'est une composante euh, de personnalité qui se regroupe autour, euh, autour, autour, d'un Niel. Nous ne pensons pas que ça reflète réellement, réellement une, cartographie réelle de la circonscription électorale. Aujourd'hui, il fallait choisir des élus. Et si nous prenons le cas particulier de Dakar, euh, les élections ont eu lieu dans un contexte assez, assez particulier. C'était une semaine de campagne, mais une semaine de campagne euh, carrément mouvementée. Effectivement, heureusement, ce qui dilue aujourd'hui euh, cette particularité de cette institution-là, c'est que c'est une institution à but consultatif. Hein. Euh, éventuellement, si effectivement c'était une, institution délibérative, ça pourrait vraiment impacter, peut-être négativement même sur la démocratie. Mais aujourd'hui, du moment que c'est une institution euh, qui va uniquement donner une voie consultative, nous pourrons euh, espérer, que ça va, pondérer un peu les décisions que, ça va porter au niveau des populations. Oui, Ablaï faut-il s'attendre à travers ces résultats à une sorte de recomposition au sommet de la classe politique euh, sénégalaise Bon, mais ça dépend là, ça dépend de nos dirigeants et de ce qui mène un peu le jeu. Mm-hmm. Bon, mais, mais moi, je reviens à la charge. Mm-hmm. Mes amis ont dit que ces résultats, ça reflète mm-hmm. les résultats des locales. Oui. C'est la suite logique. je m'exprime à faux. C'est tout à fait le contraire. Mm. Si jamais les 150 hauts conseillers étaient nommés sur une liste proportionnelle et les gens décident à partir de ce qu'on aura son quota proportionnel à ses voix, sauraient accepter la thèse qu'ils ont donnée. Mais quand je dis que d'abord, je prends les 150, presque la moitié, les, 70, je mets ça derrière, presque la moitié, il vous reste 80, je vais mettre ça dans les départements, dans les 45 départements, et c'est à la majoritaire. Si je vous dépasse d'une voix, je prends tout, vous me dites que ça reflète donc, euh, euh, euh, le résultat des locales, bah, là, je, regrette encore. Moi, je me dis que nous avons un problème. Un problème, c'est de consolider notre, consolider notre démocratie en quoi faisant En donnant euh, à l'opposition l'occasion de se présenter dans les organes de décision, dans les organes de dialogue et de pouvoir dire leurs mots. Donc c'est ça, c'est ça où... Bon, maintenant par rapport à votre question, la reconfiguration politique, ah, j'espère que euh, l'autorité centrale aura à faire une lecture politique et objective par rapport à ces résultats. Ne pas dire que, OK, sur les, 100, sur les 45 euh, trucs, euh, euh, départements, nous avons pris la quasi totalité et dire que, bon, vraiment, ça va. Et par bah, la semble marcher sur l'eau. Hein. et ne hmm. pas dire qu'à Pékin, par exemple, à Pékin, sur les 942 conseillers qui sont là-bas, l'opposition avait 288 conseillers et maintenant, on les dépasse à 100 voix sur les 900, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe pouvoir interpréter ces signes et de ne pas se fier sur les résultats à dire nous avons pris Pékin, nous avons pris. Non, moi je me dis que, ça, comme vous l'avez dit, ça peut être l'occasion de encore reconfigurer les blocs politiques, de revoir les démarches, mais aussi si, jamais que ça soit lu quand même d'une façon objective et politique. Oui, que, euh, lui, il vous reproche d'avoir euh, une lecture assez simpliste de, de ce scrutin-là. Il a raison ou pas oui, mais je crois que M. le maire ne faut pas avoir raison. Ce n'est pas une lecture simpliste. C'est une lecture conforme à la réalité. <laughs> Si la réalité est aussi simple pour lui, bien, tant mieux pour nous. Mais là où je voudrais euh, attirer l'attention de M. le maire, je suis sûr qu'il a gagné et bien gagné euh, sa commune de, de Mbao. C'est sûr. Mais c'est certainement avec la liste majoritaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui. Mais il y avait le proportionnel. Oui, mais... Mhm. Il y avait le proportionnel. Non, je vais vous expliquer pourquoi pour cette élection, on ne peut pas faire de proportionnel. Mais c'est comme si vous remettez à cause le principe des listes majoritaires. Ah, tu dis, il faut que ça soit, n'est-ce pas, des critères sur la proportionnelle. Mais certainement... On peut allier les deux quand même. Mais non, voilà. On allie les deux. Voilà, voilà. Attendez, c'est là, où, là où malheureusement vous allez vous heurter à un mur. Parce que dans un département où il y a deux conseils à élire, vous dites majoritaire, euh, un conseil, professionnel, un conseil, Mais forcément, forcément, celui qui a le plus de voix va prendre et le conseil de la majorité, de, la liste majoritaire, et le conseil de, la liste... Vous prenez les 70 Non, attendez. Vous 70 Non, Vous prenez les 70 il y Mais on vote par département. Donc, on vote par département. Et la plupart des départements ont deux conseillers. Il y a quelques rares départements, si je me trompe, c'est Dakar et Pékin qui ont trois. Tous les autres départements, ils ont soit deux, soit un. Donc, si même on voulait le satisfaire, lui, en mettant un sur la majoritaire et un sur la, sur la professionnelle, malheureusement pour lui, les deux vont toujours revenir, n'est-ce pas, en fait, au parti euh, ou bien à la coalition qui va arriver en tête. Donc, moi je dis, on ne peut pas aujourd'hui nier la réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas accepter que c'est la suite logique des résultats obtenus à la suite des élections locales de 2014. Maintenant, euh, sur 150 il y a 80 qui sont, qui sont élus. Tant mieux, au moins c'est la majorité. Parce qu'on a connu ici des institutions où, n'est-ce pas, c'est la minorité qui a été élue et la majorité devrait être, euh, devrait être nommée par le président de la République pour ne pas citer le Sénat que nous avons connu ici au Sénégal. Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit euh, mon ami Mawa, euh, le Haut Conseil, à mon avis, ne peut pas ne être euh, constitué que par des élus, locaux. Il y a des compétences, il y a des cadres, des techniciens, des gens euh, qui peuvent apporter leur expérience et leur expertise dans l'approfondissement de la décentralisation, dans la gestion des collectivités territoriales. Il est important que cette catégorie de Sénégalais puisse avoir leur place dans cette institution, comme l'a si bien dit euh, monsieur le maire Banda, qui est une institution consultative, mais qui est quand même très importante dans, vraiment, dans le processus de décentralisation qui est quand même déjà irréversible et qui est même déjà constitutionnalisé dans, ce pays-là. Donc, moi, je crois que euh, évitons vraiment à euh, faire un débat politicien. On a eu une compétition. Les gens ont compris de la manière la plus simple ceux qui ont gagné ont gagné. Aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main pour souhaiter que cette institution soit aussi utile que nous tous nous le souhaitons au seul intérêt exclusif du peuple sénégalais. Merci. Arrêtons-nous un peu sur le cas de Dakar, avec euh, Khalifa Sall qui semble avoir la peau dure, malgré euh, tous les moyens déployés par le pouvoir pour euh, essayer un peu de combattre sa coalition. Il remporte l'élection, euh, bon, même si euh, certains ont parlé de score assez étriqué, toujours est-il qu'il a remporté euh, donc, cette élection-là. Khalifa Sall, est-ce un point marqué pour lui en vue, par exemple, de la prochaine présidentielle bon, On va loin, hmm. on va loin. Lui-même, fait, de la prospection. Lui-même, il vient de déclarer que c'était une élection de second plan. Hmm. Donc, il est parfaitement lucide sur sa position réelle en termes de ce point de vue-là. Mais euh, on ne peut pas ne pas remarquer tout de même que euh, de ce point de vue, l'écart s'est beaucoup rétréci à Dakar et qu'aujourd'hui nous avons 80 voix de différence ici, dans Dakar. Euh, après, je ne suis pas sûr que sur la base simplement de cette victoire du soir, qu'on puisse se lancer dans un pari du genre. Mais, mais j'aimerais quand même attirer l'attention des gens sur quand même le rôle de ce, Haut Conseil, parce que c'est important. Il faut l'inscrire dans un cadre général d'une vision. D'abord, l'acte 3 de la décentralisation, euh, la révision constitutionnelle qui introduit une nouvelle institution dédiée aux questions de décentralisation. Avec une innovation majeure, on dit désormais que dans ce Haut Conseil, il n'y aura pas que des hommes politiques, il y aura des experts de la question. Euh, la vision de la territorialisation de l'action publique, c'est un changement de paradigme dans le pays. C'est un moment important qui mérite qu'on ne limite pas simplement à ce soir, euh, à cette soirée, à une question simplement de positionnement politique ou de météo politique euh, d'un avenir incertain, je crois. Mais je, ce qu'il faut retenir, c'est que les Sénégalais sont conséquents. Après avoir voté oui pour le référendum euh, de révision constitutionnelle. ils sont conséquents. Dans cette même suite, ils sont en train de renforcer, euh, donc à travers leurs représentants, les élus, euh, ce conseil. Et donc, c'est la vision de la décentralisation qui est en train d'être matérialisée. Mmh. que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'y a pas lieu pour Tahaou Dakar de sauter au plafond Il a remporté l'élection d'une courte tête même si c'était une voix, c'est quand même une victoire. Mhm. Mhm. ça, je voudrais vraiment couper court à ce débat, politicien. Mais je voudrais indiquer aussi, euh, par rapport, euh, et pour conforter un peu la thèse euh, de mon collègue maire de que les 70, les 70 conseillers choisis par le président de la République pourraient aider éventuellement à conforter un peu les choix de la base, en quoi faisant effectivement en faisant une liste majoritaire et une liste proportionnelle. Si les 70 étaient réduits peut-être à un nombre assez beaucoup plus raisonnable, ça pourrait vraiment conforter encore, renforcer un peu euh, la représentation euh, des conseillers municipaux. Mais l'autre élément que je voudrais indiquer, c'est que euh, aujourd'hui, cette institution-là, d'aucuns disent que ça émane un peu des, des assisards hein, le Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est une un peu résolution, c'est une résultante des assises. Mais les assises aussi avaient trouvé que le Sénat était vraiment une institution de plus. Et que de par ses choix, représentait vraiment euh, un goulot même à la démocratie. Mais nous n'avons pas voulu liquider ce Sénat-là pour installer encore une institution où encore le président va conforter le choix qui est fait sur, euh, sur la, proportion de, conseils à, prendre. Ça, c'était une remarque que je voudrais faire. Maintenant, pour Dakar. Mhm. Pour Dakar, cette victoire-là est une grande victoire pour la coalition au Dakar. Et c'est une victoire vraiment qu'on lit de manière lucide. Nous avons vu, nous avons en une semaine, ou bien euh, euh, des mois auparavant, vu tout l'acharnement que les autorités de premier plan de ce pays ont eu sur Dakar. Les chances étaient rivés sur Dakar. Euh, dans, nos, dans, nos différentes, euh, dans nos différentes collectivités locales, nous avons senti vraiment cette élection-là avec un poids assez dur pour les responsables, les décideurs qui étaient là. Les conseillers ont subi des pressions, les collectivités locales ont subi des pressions, et aujourd'hui, même si c'était une victoire d'une voix, c'est une victoire quand même. Parce que nous pensons que c'est une victoire acquise de haute lutte. Il y a eu de fortes pressions. Les, autorités au premier plan de ce pays même sont entrées dans les collectivités locales, euh, dans les 19 communes. Ils ont même réussi à, faire renier des convictions à certains, maires. Parce que certains maires qui étaient de la coalition Tahou-Dakar aujourd'hui se sont retrouvés euh, automatiquement sur Beno Yakar. Et ça, ça donne un peu l'intérêt que les autres autorités de ce pays-là portaient à ces élections-là. Parce que ces, mêmes maires avaient été élus dans les listes de Tahou Dakar. Aujourd'hui, ils étaient dans les listes de Beno Yakar face aux gens de Ande Tahou Dakar. Mais avec le réalisme des élus, euh, avec la responsabilité qu'ont fait preuve les élus de Dakar, aujourd'hui, ça a fourni le résultat que nous avons. Donc nous pensons que c'est une victoire et c'est une grande victoire pour aujourd'hui la coalition Andetahao Dakar et en premier chef son mentor, le, maire de Dakar, Khalifa Aoukar Sall. Ablaï parlerez-vous de, grande victoire de Khalifa Sall à Dakar Oui, d'une grande victoire quand même. Parce qu'une une, victoire n'est jamais petite. Hein. Une victoire, c'est une victoire. D'abord, euh, je surgit encore si, ce qu'il a dit, je ne suis pas, je têtu, mais j'ai mes idées quand même. <laughs> Et pour vous dire que l'Assemblée avait 150 députés. Et pourquoi, pourtant, il y avait une proportionnelle et une majorité. S'il voulait bien mettre une liste proportionnelle, il allait la mettre d'une façon nationale et que chaque parti aura sa part selon ce que les conseils lui ont donné. Donc, nous dire ici que ce n'était pas possible de faire une liste proportionnelle, là, on ne peut pas être d'accord. quand l'Assemblée avait 150 députés, il y avait très bien une liste proportionnelle et majoritaire. Pour revenir sur ce qu'il a dit, il ne faut pas dire une victoire, une petite ou une grande. C'était un défi à relever. Toutes les grandes autorités de ces pays étaient en train de, faire dérouter euh, Dakar ou Khalifa Sall. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut l'accepter. Quand Abdoulaye Timbo prenait la ville de Timbo, euh, dans la ville de Pikine, mm. euh, entre les mains d'Abdoulaye euh, Diop, c'était avec cinq voix aussi voix de différence. Nous n'avions pas parlé d'une victoire étriquée ou petite. C'était une victoire. Il est maire, il reste. On est tous obligés d'être derrière lui. C'est ça la démocratie. C'est une grande victoire de Tahaou Dakar aujourd'hui. À Pékin, je vous ai dit que sur les 900 voix, ils ne nous ont pas dépassé, c'est à 100 voix. Ça a joué sur 400 euh, euh, euh, et, quelques, 300 et quelques. Plus, sans compter les réunions qui ont fait au boycott, le grand parti qui, qui, n'ont pas voté à 80%. Donc je me dis que nous, nous pouvions pas parler d'une petite victoire. Non, on les félicite. Ils ont gagné Pékin, comme Khalifa a gagné à hein. Dakar, une grande victoire. Ils, ont relevé un, défi, un grand défi. Donc, pour dire, donc, ce Haut Conseil, il faut d'abord maintenant voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter sur le fonctionnement, sur la composition. Et vous me parlez de gens qui seraient des experts, mais qui ne sont pas des conseils municipaux, des élus locaux ou des maires. Dans les conseils municipaux, dans les élus locaux, il y a des experts de la décentralisation qui n'étaient pas dans les listes sûrement qu'ils ne seront pas choisis parce qu'ils ne sont pas de côté. Donc je me dis qu'on a besoin de ces experts, mais il y a des gens qui ont ces capacités et en même temps qui sont en train de vivre la décentralisation. Donc il faut voir dans ce choix, je crois que le président sera un peu judicieux par rapport à ça. Donc c'est juste pour dire, euh, parler sur la composition et après peut-être qu'on reviendra sur le fonctionnement mhm. de ce haut conseil. Oui, on reviendra sur le fonctionnement, mais Walifal, seriez-vous, euh, vous, beau jour en reconnaissant les mérites de Khalifa Sall qui a remporté l'élection à Dakar Écoutez, à ce que je cherche, je n'ai pas encore entendu un responsable de la coalition Bertrand ici à Dakar euh, contester ou bien minimiser la victoire de la coalition ande tahou Dakar. Je crois que nous sommes tous des démocrates et il faut que nous respections vraiment euh, en fait, le choix des conseillers municipaux de la ville de Dakar. Dans leur majorité, ils ont, ils ont la liste Ande, tahou Dakar et nous l'acceptons. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, chacun, le camp de la victoire peut peut, considérer que c'est une grande victoire, parce qu'une victoire n'est jamais petite, quel que soit euh, le vainqueur, parce que chacun sait ce qu'il a enduré, ce qu'il a investi, ce qu'il a euh, vraiment euh, mis comme force et énergie pour arriver à ce résultat-là. Donc, vraiment, pour vous rassurer, au niveau de la coalition Benno à Dakar, nous n'avons aucun problème pour reconnaître la victoire de la coalition And Tahaou Dakar. Maintenant, forcément, les experts en sciences politiques, <laughs> les observateurs de la situation politique, chacun va y aller euh, avec son angle de tir pour analyser les résultats. peut-être que ce n'est pas ici euh, qu'on le fera, mais ce que nous pouvons remarquer est que si la coalition Dakar était, euh, était extrêmement forte par le nombre de conseillers qu'elle a obtenus à la suite des élections de 2014, force est de reconnaître qu'à ce jour, son nombre s'est considérablement réduit. Est-ce qu'on peut forcément, dire... il y aura des conséquences politiques. Oui, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'une euh, partie du duel euh, Maki-Khalifa de 2019 s'est jouée ce soir mais écoutez, euh, mon ami, monsieur le maire, vient de dire que les gens ne se trompent pas d'élection. Il faut que, les gens restent dans les limites de la réalité. Si maintenant, euh, écoute, que ce soit Khalifa ou que ce soit Maki, chacun veut vraiment en tirer euh, des leçons dans une perspective de 2017 ou 2019. forcément, il faut qu'on le fasse. Chacun aura une lecture mm-hmm. de la nature des résultats que nous avons aujourd'hui. Euh, ce que j'en sais, la grande surprise serait que la coalition Tahaou Dakar soit battue à Dakar. Parce que c'est elle qui avait l'hégémonie. C'est pas pour rien que le président de la coalition Ben Yakar avait souhaité, avait même donné en fait des directives pour que qu'il n'y ait pas une liste conquérante à celle de Tahaou Dakar et que les gens cherchent à aller autant que possible dans l'unité. Parce que c'est ça qui était certainement la voie la meilleure pour gérer les intérêts de Dakar. Pour des raisons politiques. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Donc, chacun a mis sa liste, chacun s'est battu avec les moyens dont, dont, dont, on dispose. Et au résultat, la coalition il a dénoncé les ah, cas d'achat de conscience notés dans cette élection. Non, je n'ai pas entendu dire ça de manière très explicite. Il a insinué. Oui, il a insinué, mais moi je ne suis pas là pour apprécier. Non, non, moi je suis pas là pour apprécier les insinuations. <laughs> Hein? moi je suis assez mathématique pour me, réagir que sur les choses qui sont claires. Mais quand même, il faut, reconnaître une chose. Quand on est dans une campagne, Bon, il y a toujours des invectives, <laughs> il y a toujours des accusations euh, politiciennes pour essayer de déstabiliser. Mais quand même, en tout cas moi, qui suis au cœur du comité électoral de la coalition Ben Bokoyakar, je peux affirmer ici n'avoir pas été témoin d'une quelconque tentative d'achat de conscience. Ça, vraiment, je, le dis avec la plus grande solennité. Et je ne suis pas là aussi pour dire en face, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Écoutez, respectons la dignité des conseils municipaux. Ce n'est pas parce que nous, nous sommes à la tête des, des groupes politiques que nous sommes plus dignes que les gens pour lesquels nous avons besoin de leur voix pour, pour se hisser au sommet. Franchement, moi je suis très mal placé pour, envisager un, seul instant qu'un conseil municipal, de quelque nature que ce soit, de quelque bord que ce soit, a accepté de, de vendre sa dignité pour pour cette raison-là. Moi, je n'ose pas l'affirmer et je n'ose accuser personne par rapport à cette pratique personnellement, je n'approuve pas. Toujours est qu'on en a parlé. Et, pas... Est-ce que là, oui, on n'a pas manqué l'occasion de moraliser la vie politique parce qu'on a beaucoup parlé de ça de conscience durant cette campagne. Je, pense que la vie politique nationale se moralise d'elle-même par la sagesse et la culture démocratique des Sénégalais. Euh, si on pouvait acheter des consciences, encore une fois, à chaque élection, on revient ici qu'on a tenter d'acheter de consciences, ou on a acheté des consciences. Mais ça ne marche pas de toutes les manières. Ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, euh, ça ne peut pas être un argument politique pour se défendre ou pour convaincre. Mhm. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Euh, Khalifa Sall, euh, je l'ai fait tout à l'heure sur le Que citer ses propres mots. C'est lui-même qui dit que c'était une élection mineure qui ne nécessitait pas un tel engagement de la part de tout le temps. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Mais je ne minimise pas sa, victoire. Bien au contraire, il faut le féliciter d'ailleurs, parce que cette liste a gagné, mais notez en toute objectivité que l'écart se réduit et c'est ça la vérité. Mais surtout éviter de, de parler de d'un duel entre Khalifa Sall et Macky Sall, ça n'existe pas. Ah pour Une raison très simple. Khalifa Sall fait partie de la majorité. Khalifa Sall n'est pas en opposant à ce régime, Khalifa Sall fait partie de la majorité. Donc il faut arrêter de parler d'une opposition entre lui et le président Sall, ça n'existe pas. Ça n'existe pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le jour où il se positionnera comme un opposant à ce régime, à ce moment-là, on pourra parler d'une opposition. Il a créé sa liste qui émane surtout d'une contradiction interne au Parti Socialiste, par ailleurs, qui n'est pas du tout une question de, majorité Benoît Bokouyakar, c'est interne chez eux. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que la majorité Benoît Bokouyakar soit forte, que sa proposition soit beaucoup plus cohérente avec toutes les ressources qui sont dedans, qu'on les utilise au mieux au service du Sénégal. Et ça, euh, c'est ça qui est souhaité. Mais euh, cette élection ne peut en aucun cas, au jour d'aujourd'hui, demain c'est autre chose, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne peut pas euh, refléter mm. une, opposition entre le président Sall et M. le maire Khalifa Sall. Banda Diop, Khalifa Sall, membre de la majorité présidentielle, cette expression a-t-elle un sens pour vous Aujourd'hui, c'est une expression euh, vraiment qui n'est pas qui ne reflète pas la réalité. Mhm. Si on transcende un peu ce qui s'est passé, euh, les péripéties qu'il y a eu depuis 2014, euh, l'emprunt obligataire est assez révélateur. Les blocages qu'on a eu au niveau de la place de l'indépendance, les blocages qu'on a eu sur l'implémentation des projets, du programme de la ville de Dakar pour 2014, aujourd'hui, dénote un peu que cette, euh, cette expression-là, aujourd'hui, est une expression qui ne, qui ne, reflète pas la, réalité des choses. Mais pour ces élections-là, euh, aujourd'hui, je ne pense pas aussi qu'on soit dans une dynamique, ou bien qu'on soit d'accord, qu'on va créer une institution qui va abriter des, des experts. Parce que pour moi, aujourd'hui, ces experts de la décentralisation-là auraient dû faire, auraient dû transmettre même les bons rapports au niveau du ministère euh, qui a en charge aujourd'hui la gouvernance locale. Parce que si on voit toutes les difficultés que cette communalisation-là intégrale crée, nous pensons aujourd'hui même euh, que ces experts-là auraient dû apporter les, réflexions nécessaires. Et je ne suis pas très convaincu qu'aujourd'hui qu'on puisse créer une institution qui les regroupe, qui vraiment va être budgétivore et qui sera là malheureusement euh, pour, euh, pour les entretenir. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, nous sommes convaincus, et ça, c'est assez, assez, assez apparent, il y a eu un acharnement. Si le chef de l'État euh, dit que pour le cas de Dakar et de Zingenshore, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une liste Benno Et, et, que des responsables politiques mettent en place une liste Benno dans laquelle liste aucun membre de la paire n'existe, ne figure. Ça, c'est déjà un problème. L'autre aspect est que euh, même le directoire de campagne qui dirige, qui implémente un peu les, négociations dans cette liste-là ne fait apparaître aucun membre de la paire. C'est-à-dire que le président a juste réussi à, faire, euh, à créer des problèmes dans les partis politiques qui composent Beno Bokyaka. Parce qu'aujourd'hui, pour Dakar, malheureusement, tout le monde sait que Khalifa Sall est un membre éminent du Parti Socialiste. Mais des, des orientations de vote ont été données contre la liste Antaho Dakar. Donc pour nous, ça, c'est carrément un acharnement. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, qu'on soit dans une euh, majorité où vraiment on se partage les rôles. Nous sommes dans une majorité où vraiment euh, certaines euh, personnes sont entretenues, d'autres personnes sont montées contre d'autres. et malheureusement, ils n'ont pas bien compris aujourd'hui la leçon de 2014. En 2014, en choisissant ces élus-là, les Dakarois avaient porté un choix sur des conseillers municipaux dignes de ce nom. Effectivement, entre 2014 et 2016, beaucoup de choses se sont passées. Les communes de Dakar, par exemple, ont connu des fonctionnements très difficiles. J'en veux pour preuve la commune de, Grand Dakar qui aujourd'hui abrite du personnel euh, municipal de santé euh, qu'elle ne peut pas payer la commune de la Padoie, c'est dans le même cas. Les autres communes qui ont hérité aussi des structures euh, sanitaires, aujourd'hui, si elles fonctionnent correctement, auront des problèmes dans, les zones. Ils ont réussi à, faire, euh, à limiter l'expression des communes aujourd'hui dans le paiement des salaires. Donc, c'est très normal qu'ils tu créent la vulnérabilité au niveau de nos conseils municipaux. Si tu prends la commune de Padoie, qui ne peut même pas aujourd'hui donner des secours aux indigents, ce n'est pas un problème de malgérance, c'est carrément un problème de ressources, parce que nous sommes grévés, notre budget est grévé carrément par le personnel sanitaire de Nabichupé, par exemple. Donc aujourd'hui, ce degré de vulnérabilité-là a été installé dans nos communes, a été installé dans nos conseils municipaux, et l'État a voulu, ou bien de hauts responsables du pouvoir, aujourd'hui, ont voulu l'utiliser. Ils ont créé des conférences dans des hôtels, ils ont convoqué nos conseillers municipaux et ils ont essayé effectivement de les corrompre. Mais c'était ne pas comprendre un peu l'engagement que ces élus-là avaient par rapport, n'est-ce pas, à, Dakar. Et aujourd'hui, peut-être certaines personnes ont, pourraient, faillir, mais la globalité n'a pas failli. Effectivement, il y a eu des tentatives vraiment de, de, de, du terme, il y a eu des tentatives euh, assez bizarres. Mmh. Donc nous, avons vécu toutes ces péripéties-là. Et même dans euh, et même, ils sont entrés même dans la ville de Dakar. C'est-à-dire que si aujourd'hui, certains élus avaient été élus sous la bannière de Tahou Dakar, avaient battu campagne sous la bannière de Tahou Dakar, et aujourd'hui, paradoxalement, reviennent pour faire campagne sur le Beno Bokoyakar, ça, c'est des questionnements qu'on doit se poser. Et nous ne pensons pas que vraiment ce soit, ce soit, de, ce soit fait de manière... Euh, il n'y a, aucune logique en tout cas. Mhm. Et la logique qu'on voudrait interpréter, si on prend la logique du référendum, ce n'est pas, pas des élections mhm. qu'on peut, Qu'on peut, convoquer pour euh, ah, expliquer. Vraiment, je ne, je, ne, suis pas convaincu. Oui, allez-vous réagir rapidement sur ça. Oui. Non, je vais mhm. réagir parce que euh, mon ami Banda, quand même, pour moi, sur certains plans, il est en train de rappeler. dire que il y, a eu des, il y a eu de la corruption, encore une fois, moi, j'estime que c'est manque de respect. Non, je n'ai pas dit de la corruption, j'ai eu des tentatives. Bon, maintenant, bon, voilà, d'accord, c'est pas grave. maintenant, ce sont des tentatives. Euh, donc plus... par rapport à des élus. Bon, comme ce sont des tentatives, donc ça veut dire que vraiment l'accusation est fortement durée, donc je ne vais pas encore revenir sur ça. Mais, à ce que je sache, mais, je suis désolé, mais nous sommes dans le cercle de la politique et nous ne sommes pas dans un parti communiste des années 80. Oh, c'est une question de rapport de force. Non, non, au-delà même, non, non, au même de la ligne. cest à dire que pourquoi les gens pensent que, parce que j'ai été élu dans le cadre d'une coalition, du début jusqu'à la, fin, je dois m'en tenir à la ligne de cette coalition, même si elle n'est plus en, euh, en, avec quand même mes intérêts de moi ou bien, ou bien aussi ma vision de moi. La réalité est que les motivations qui ont amené la création de la coalition Tahou Dakar en 2014 et le contexte ne sont certainement pas les mêmes. Mm-hmm. Le contexte a changé. Euh, fortement d'ailleurs. Mm-hmm. Ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui, ont quand même sous l'élection de ce jour. Donc arrêtez quand même de penser que dès que vous êtes dans un parti politique ou bien dès que vous êtes dans une coalition, vous devez tout simplement mettre en veilleuse, n'est-ce pas, vos convictions mettre en veilleuse vos ambitions et votre vision et s'en tenir exclusivement à la vision qui a été arrêtée au début, sans pour autant avoir la possibilité d'évoluer. Maintenant, il a évoqué un certain nombre de problèmes que vivent les communes dans le cadre global. Elles, sont étouffées. Nous, tous, nous en sommes conscients. Moi, j'étais maire, hein. ah, donc je connais très bien les difficultés que vivent les communes, même avant l'acte 3 de la décentralisation, il y a des communes qui ont vécu des problèmes aussi insurmontables. Mais le HCCT n'est-il pas un cadre approprié pour faire entendre, pour mieux faire entendre la voix des jeunes qu'ils sont, pour quand même orienter et réorienter la politique du gouvernement dans la gestion des collectivités locales, pour ne pas dire territoriales. Si le HCTT n'était pas important à le dire. Fallait-il avoir une liste pour, e-, espérer amener là-bas des gens Maintenant, je ne vois pas l'acharnement dont mon ami Bande parle, en tout cas de manière visible. Ah quel acharnement Le ah. président de la République a dit... Il n'y a qu'une volonté de combattre un potentiel adversaire politique. non, non, non, attends. Le président de la coalition, Ben le président Macky a dit comme Tahou Dakar a l'hégémonie sur la ville de Dakar, mm laissons-les choisir les, les, représentants de la ville de Dakar au niveau du HCTT. Et les gens, invitation du maire de la ville de Dakar, que les responsables de Ben de Dakar se sont, rendus à, à la ville et ils ont tenu plusieurs réunions pour tenter de trouver le cadre idéal, unitaire, qui pourrait porter les conseillers les représentants de Dakar, qui devaient être choisis en réalité sur la liste Tahaou Dakar. Mais pour des raisons de politique politicienne, pour lesquelles je, parle. On a parlé d'un problème de dénomination de la coalition, nos Tahaou Dakar. Mais, quel est le. entre, nous, nous, moi, je pense que. Par rapport aux intérêts majeurs de Dakar, hmm. comparé à des histoires de dénomination. le mal est beaucoup plus profond que ça. Non, non, en tout cas, mm. le sous-entendu, mm. ce qui n'a pas été dit. C'est ça le problème. Mm. Parce que est-ce que réellement, tous ceux qui étaient autour de la table pour tenter de trouver, n'est-ce pas, un consensus, avoir une coalition euh, participative pour porter les trois est-ce que tous ces gens-là, de part et d'autre, jouer vraiment le franget. Personnellement, j'ai eu le privilège de... Personnellement, j'en doute. Je il, va, répondre après, vous, vous allez Je fais partie de ceux qui ont, euh, qui ont participé à ces négociations, mais je peux dire aujourd'hui effectivement que le maire de Dakar, leader naturel de la coalition Ande Tahao Dakar, a voulu de manière volontariste effectivement impliquer toutes les forces vivent dans cette coalition-là. Et c'est ce que le PDS a fait. Ils sont venus de manière volontariste, les autres partis sont venus... Pourquoi cela n'a pas été le cas pour Benno Mais parce que Benno a voulu nous divertir. D'abord, euh, il y a eu euh, une question préjudicielle pour dire aujourd'hui, effectivement, nous nous rageons devant l'hégémonie de Tahou Dakar, mais nous ne voulons pas du nom de Tahou Dakar. Ça aussi, nous ne pouvons pas l'accepter, d'autant plus que nous aussi, nous étions là par la grâce de Tahou Dakar. Donc, pour moi, qui veut que c'est problème donc je pense que le président avait très bien vu en fin politique aujourd'hui que ce serait difficile malgré tous les moyens qu'on aurait déployés de prendre Dakar aux mains de Tahou Dakar ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, mon ami Wali sur euh, euh, le mandat d'un conseil municipal. Si tu es élu sur une chapelle de coalition ou bien un parti politique, pour moi, si tu n'es plus d'accord avec les intérêts de ce parti-là ou bien avec l'orientation de ce parti-là, la meilleure attitude serait de démissionner ou bien euh, de voir une autre. Mais je ne pense pas que ta présence dans un conseil municipal, ton mandat puisse évoluer et vraiment dénaturer un peu parce que tu es élu sur la base d'un programme, sur la base d'un accord cadre. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent quand tu veux même choisir, changer d'option, que tu puisses choisir, changer d'option de manière vraiment... Ça aussi, ça convoque un peu la, la déontologie. Et aussi, euh, pour moi, il y a eu effectivement acharnement. Parce que il y a eu, acharnement sur, euh, sur l'image de Dakar, sur les élus de Dakar. Parce qu'effectivement, quand le président euh, a annoncé que pour certaines villes où effectivement il y avait une hégémonie, il fallait laisser vraiment la majorité conduire cette liste-là, les gens ont refusé. Mais moi, ce que je trouve paradoxal, c'est euh, qu'on qu'on fasse aujourd'hui euh, une liste, que cette liste-là porte le nom de Benoît Bokuyaka, sans pour autant qu'aucun responsable de la coalition du président, de la, du parti du président soit dans... pour moi, et malheureusement, les états-majors qui ont participé à, à, toutes ces, à toutes ces, euh, tous ces montages-là, c'est vraiment des composantes de Beno Yakar au premier plan, hmm. qui ont donné des, orientations claires, à, surtout pour Dakar. Pour Dakar, aucun parti politique, si ce n'est le PDS, Bokugis dans une certaine mesure, et d'autres partis, mais c'est Réumi qui a même, on, est même allé voir d'autres élus, d'autres chapelles qui s'étaient résignés et qui ont accepté finalement de... Oui, on a vu euh, à Pékin des conseils de Réumi et de grands partis qui ont voté. Ah oui Or, leur parti avait appelé au boycott. Donc, il fallait Oui, euh, Ablaï, va placer un mot. Ablaï, on a beaucoup parlé de corruption. Vous, en tant que mais est-ce que vous l'avez senti, cette tentative de corruption ah, Moi, je, crois que aussi, à euh, Pierre, il faut qu'on ait un débat national. Hmm. Dakar, c'est juste un des 45. Oui. On ne peut pas s'empêcher de parler du cas de Dakar. Oui. Comme je c'était la mère des batailles en Il ne faut pas hein, euh, axer tout le débat sur Dakar. Hein. Hmm. je, je, crois que par rapport à la corruption, les gens aussi ont des conseils dignes quand même. Et je confirme qu'il y a tentative. tentative. Hmm. Mais je ne peux pas dire tout de suite que les gens ont été corrompus les hein, anges qui nous sont proches nous ont quand même dit certaines tentatives, en tout cas au niveau du Piquet. Hmm. En tout cas, les anses ont resté tellement dignes par rapport Est-ce que cela a pesé sur les résultats de, de, ce dimanche Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de, de, paramètres qui sont là. Il y a des moutons qui ont été miroités à des anses quand même, <laughs> qui ont été très responsables, qui sont venus nous dire, nous dire les responsables, mais je crois que ce n'était pas ça l'importance. Les gens ont été pensés. Et que si nous, nous avons officiellement 288 conseils, et qu'on se trouve à, sur les 900, on se trouve à moins de 100 de, de, Benabokoyakar sur les résultats, moi je dis que avec toutes ces tentatives, moi je me dis que ça n'a pas tellement... Mais on a parlé de beaucoup de conseils qui sont partis à la Mecque, surtout à Pékin. Oui, oui, oui, beaucoup de conseils. Cela vous a-t-il pénalisé Oui, oui, effectivement. Je, donne, par exemple, euh, dans ma commune, il y a trois qui sont, qui sont à la Mecque. On a recensé, il y a quand même beaucoup qui sont partis. C'est la période. Mhm. Donc la période n'était pas tellement adéquate euh, par rapport à ces élections. Est-ce qu'il est y avait quelque chose qui, qui était tellement pressé pour l'organiser à son moment où tout bon musulman aspirait à être en voyage. Donc je crois qu'il fallait réfléchir, se concerter pour, pour prendre la meilleure période pour le faire. Malheureusement, euh, le président donc, étant l'unique personne à appeler le collège électoral, on pouvait que se, plier à sa décision, mais cela se pouvait faire après concertation. Bon, moi, ce que je dis par rapport à ce Haut Conseil, nous, les communes, il l'a dit tout de suite, le problème des collectivités locales, c'est un problème de financement et de développement local. Nous avons tous ce problème. Alors, quand on met maintenant sur pied un organe qui va encore prendre beaucoup d'argent sur le budget, si ce budget, ce qu'on fait à 3 milliards par an, ce qu'on donne ce, pour ce conseil, ça pouvait servir au financement de ces collectivités locales. fonds euh, de, de, Moi, je me dis, par exemple, si on me donne au niveau personnel que la ville payait, qui me, qui me coûte presque 100 millions, et on me donne 40 millions, je me dis que c'est un problème. Alors, à ce même moment, on mobilise des milliards pour réfléchir sur comment faire. C'est comme si vous n'avez pas quelque chose à manger. Aujourd'hui, ben, on dit on va organiser un débat de 20 000 francs pour réfléchir si ce que vous devez manger. À ce moment même, vous n'avez pas quelque chose à manger. C'est un peu paradoxal. Donc je me dis que les gens devaient en tout cas réfléchir sur les financements. Hein, s'il y a des moyens, mettre ça d'abord sur les financements des cultures locales. Et le reste, maintenant, je crois que ça sera moins grave. Sur les collègues maires que je connais qui ne peuvent pas payer de salaire, bon, moi, je, je touche du bois, on n'en fait pas encore partie, mais il y a beaucoup de communes qui ne peuvent pas payer leur euh, salaire à chaque fin du mois. Ah oui, il a utilisé une métaphore culinaire, mais, cela signifie tout simplement que les priorités sont ailleurs. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vais même rebondir sur le sujet. Si pendant une année, vous n'avez pas mangé et que vous avez 20 000 francs, vous serez bien inspiré de mettre en place un système pérenne qui vous permette de vivre tous les jours et non pas de manger les 20 000 francs en 48 heures c'est bien pour ça, laissez-moi terminer, Et c'est pour ça que, et c'est pour ça que, et c'est pour ça que, et c'est pour ça que, il est important de réfléchir sur un mode de financement des collectivités locales qui ne s'accouboute pas exclusivement à des fonds de dotation. Vous êtes maire, je ne le suis pas. Mais je suis citoyen avisé et vous savez comme moi que les fonds de dotation ne peuvent pas nourrir les collectivités locales. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir ensemble sur les mécanismes de financement. Il y a l'intercommunalité, il y a des modes de financement avec les partenaires, internationaux, etc. Il y a plusieurs imaginations qui sont possibles pour financer des collectivités locales en dehors des fonds de dotation. Donc ça ne peut pas être un argument contre cette institution, bien au contraire. Mais je ne peux pas ne pas revenir, Pierre-Edouard, sur l'attitude de Tahaou Dakar à Dakar. Il y a une chose qui frise un peu parfois l'inconséquence. Il faut, dans une position, assumer complètement ce qu'on fait. Le président de la République, président de Benno Bokoyakar, a été très clair sur le sujet. À Dakar, je veux pas de liste. Allez discuter avec Tahao Dakar. Mais vous savez qu'est-ce qui a été mis sur la table lors de ces discussions-là La place de l'indépendance, l'emprunt obligataire. Mais il ne s'agissait pas de ça. Au lieu de discuter de la question de fond, ils ont créé un dilatoire pour venir nous dire qu'ils se présentent comme des victimes. Monsieur le maire, il faut accepter que sur ces élections-là, il n'y a eu aucune entrave contre vous. Et c'est bien pour ça que les Sénégalais vous ont fait confiance. Encore une fois, il faut s'en féliciter. Mais venir accuser des gens de corruption, eh bien, à un moment donné, ce n'est plus corruption, c'est plutôt des tentatives, ça ne fait pas très sérieux, je trouve. Il faut reconnaître que Khalifa Sall est un leader politique, un vieux leader politique d'ailleurs, qui, est, qui, qui, est, sur cette scène politique depuis plus de 25-30 ans. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Donc il a de l'expérience et les Sénégalais, en tout cas les Dakarois, l'entendent encore dans son projet. Tant mieux. Mais ce n'est pas une raison pour construire une forme d'affabulation qui n'existe pas. Personne ne l'a combattu, il n'y a eu aucun acharnement sur cette question, il y a eu des joutes électorales dans lesquelles Benobok Yakar est allé dans une réunion que lui, il a présidée. Il a refusé de prendre la voie du consensus, en tout cas on ne peut pas lui reprocher ça d'ailleurs. On peut dire simplement qu'on n'a pas trouvé un consensus. Et ça arrive dans des négociations. Mais ceux qui ont créé cette coalition, en particulier pour être précis, sont les membres du même parti que Khalifa Sall. Hein. Il vient de dire lui-même dans son argumentaire que la liste de Dakar ne comporte pas de membres d'APR. Donc où est cet acharnement Il faut reconnaître qu'il y a une crise politique au sein du Parti Socialiste. C'est ça la vérité. Mm. Et cette crise politique ne signifie pas du tout que c'est le président Sall où ce régime en général est en train de s'acharner sur Khalifa Sall. Non, c'est un maire, il a été élu pour sa mission, les, les, les citoyens dakarois lui ont refait confiance en, en, en, l'élisant ici en 2014, il fait qu'il continue son travail en toute sérénité. Mais cette, euh, cet appel au loup là ne, <laughs> commence à, à, être un peu agaçant puisque non fondé sur la réalité. Moi, je peux comprendre qu'on me dise tel, tel maire, ici, dans telle commune, il y a eu une corruption on a donné à des gens de l'argent pour qu'ils votent contre la liste Haoun Dakarou, ça c'est clair. Mais dire qu'il y aurait eu des tentatives, ça ne fait pas rigoureux dans ce contexte. Mhm. Il n'est ni victime et il n'a pas en face de lui un régime. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. S'il s'agissait de ça, les consignes de Beno Bakouyakar auraient été d'organiser une logique de conquête, on aurait organisé une, logique de, on n'aurait pas en tout cas parti sur cette voie de discuter avec lui et d'essayer d'être ensemble sur une même liste. Mais ça n'est pas arrivé pour diverses raisons. Mais les, choses peuvent être partagées ici et là. Mais on ne peut pas, à partir de ce point de vue-là, euh, tirer comme conséquence qu'il y a eu un acharnement sur l'homme. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Par contre, on peut noter quand même euh, qu'au sein même des conseillers, parce que ça c'est important, on le dit, on le répète, l'écart qu'il y avait en 2014, ça n'a rien à voir avec l'écart qui est là. Ça, c'est une information. Ça c'est rétréci. – Mais bien sûr, mm. parce qu'il faut qu'on sache dans quel pays on est. On n'est pas dans un pays qui n'a pas l'expérience démocratique et électorale que nous avons. Hein. Mm. Oui, c'est les grands électeurs. Mais ça, ce n'est pas moins important. Hein. De toute façon, je sais, ce n'est pas la même élection, hein. ce n'est pas le même contexte. Mais c'est une information qu'on ne peut pas minimiser, Michel le maire. Si y aurait je, mm. je veux juste terminer. Euh, ce n'est pas rien. On ne peut pas dire que c'est rien. C'est un écart qui se réduit. Et il faut rappeler que lors du référendum récent, le leader de Tahaoun Dakarou a, appelé à voter non. Et il a perdu, y compris dans sa commune. Donc il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas négliger et qui sont liées à son action, qui sont liées à lui, son action politique. Mais pour le coup, ce qui n'est pas admissible, c'est de dire ici que Beno Bokoyakar a été agressif à l'endroit de Tahaoun Dakarou. Non. Ce qui a été fait dès le départ stratégiquement à Dakar, c'est de dire qu'on se rapproche de Tahaou et que c'est avec les leaders de Tahaou qu'il faut négocier les listes. Face au, refus de cette dynamique-là, bah, écoutez, d'autres membres de Beno Bakouyaka, qui sont en partie et même en majorité du Parti Socialiste, ont mis en place la, la liste Benno C'est comme ça que ça s'est passé. Mais la chasse au loup, euh, enfin, ça, c'est pas, ça ne euh, décrit pas la réalité, à mhm. mon avis. Pierre, ah moi, je, me mets peut-être sur ce qui ne me <laughs> regarde pas et j'étais mon gars. une question bah, voilà, moi, je me dis euh, que des fois, je ne comprends pas. Mm. Bah, nos amis, ils ont dit tout de suite que Khalifa Sall est de la mouvance présidentielle, donc est du côté du président. Mm-hmm. Alors, il nous dit en 2014 qu'il y avait effectivement un grand écart entre qui et qui Entre Khalifa et son premier ministre qui était candidat, qui a été soutenu par le président. Et il a tout de suite parlé du référendum. Mm-hmm. Il a dit on vote non. C'était contre la proposition du président. Mm-hmm. Aujourd'hui encore, c'est une autre liste qui ne résonne pas la volonté du président. Parce que je vous dis que à 99,99%, aucun conseil de la paire n'aura voté pour la liste de Khalifa. Donc il y a une dualité, il y a un problème. Khalifa, on l'accepte. C'est un problème qui est réel, c'est une mhm. réalité, c'est une information, comme il l'a dit. Mais maintenant, le problème, c'est de pouvoir le gérer. Parce que là, je dis que ça devient une question nationale. C'est quand l'institution suprême, la présidence, n'est pas en parfaite collaboration avec le maire de la capitale un problème se pose. Vous vous rappelez du Madagascar Ça rappelle bien. Mhm. Donc là, c'est dangereux. Il faut que les gens reviennent sur Terre et que ce qui doivent discuter, discute. Même si vous n'êtes plus, euh, euh, euh, comment dire, même côté. Mais on dit, à l'acte 3, le, ministre des renouveau urbains qui vient faire des choses dans, dans, dans, la commune de Truy, je parle d'un responsable qui est là, on vous dit, vous devez prendre son avis. Fils même le ministre, vous avez un projet dans une commune, vous consultez son avis, vous dites que monsieur le maire, j'ai un projet, mais son avis n'est pas conforme. Mais parlez avec lui. Si Maki était avec lui, ce problème n'allait pas se poser. Si Bamba Fall était avec eux, et, euh, comment dire, je dis Maki Khalifa était avec eux, leur manifestation ne serait pas interdite. Donc il y a un problème de dualité qui est là mhm. entre les responsables de la capitale et les autorités suprêmes. Avant, oui, Justement, dans cette dualité, est-ce qu'on a euh, atteint le, point de rupture entre les deux hommes Il a pas... On ne peut pas dire le point de rupture parce que pour moi, le point de, rupture peut-être sera euh, le jour des élections présidentielles où ils seront en face j'ai bien dit qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'élection. Par contre, je vois que dans l'analyse de M. Diouf et dans une moindre mesure de M. Fall, euh, on se trahit un peu dans, dans, les analyses. Parce que si on dit que Khalifa a appelé à voter non dans la consultation citoyenne, qu'était le référendum Et il n'a pas été suivi par Dakar, ça, on aura tout faux. Parce qu'une consultation citoyenne, je peux avoir mon avis, toi tu peux avoir ton avis, et finalement c'est l'avis de la majorité qui va compter. On a même essayé d'utiliser le prétexte de ce référendum pour trouver incohérent notre participation à ces élections-là. Nous, avons participé à ces élections-là parce que nous sommes dans un, dans un processus démocratique où nous devons accepter le principe de la majorité. Même si la majorité a été fine, elle a été petite, c'est quand même une majorité. Nous avons participé à des élections, nous avons eu notre notre opinion là-dessus. Et les gens ont dit qu'effectivement, ils ont besoin de cette institution-là. Donc Dakar, c'est Dakar qui devrait être, euh, qui devrait être représenté. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez pertinent Parce que moi, je ne trouve pas très, très euh, gratuit qu'on choisisse ces élections-là à la veille de la Tabaski. Je ne le trouve pas du ah tout gratuit. Il y a une motivation derrière. y a deux, il y a deux choses qui ont impacté sur ce scrutin-là. D'abord, il y a eu beaucoup euh, de conseillers qui sont allés au pèlerinage. Et ensuite, on n'a pas choisi gratuitement le prétexte euh, de le faire à la veille euh, de, la Tabaski. <coughs> Moi, par exemple, j'ai eu des conseillers municipaux à qui on a demandé la photocopie de leur carte dentée. pour leur faire vraiment des je ne sais pas. Ça, c'est réel. C'est des choses que moi j'ai vécues et on les a vécues dans les institutions municipales. Hum. Moi, ça, je peux, le, dire. Maintenant, euh, euh, la crise, la crise même, qu'on <coughs> sous-tend un peu au niveau du Parti Socialiste, bien qu'aujourd'hui je ne suis pas venu pour le compte du Parti Socialiste, je suis venu pour le compte d'Antahou Dakar, mais cette crise-là, elle est beaucoup plus sentie dans le Beno Yakar Parce que c'est là-bas le réceptacle. Mais nous, au niveau du Parti Socialiste, euh, toutes les tentatives qu'on implémente, c'est d'attirer l'attention des gens qu'un parti politique ne peut pas être, ne peut pas accompagner un autre parti politique. Comme nous avons caricaturé, nous dit, Ganar Nous aussi, dans le Parti Socialiste, aujourd'hui, on a été en comité central où effectivement les gens ont décidé d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Vous ne, pouvez pas, vous ne pouvez pas être dans cette dynamique, dans cette perspective, et lutter pour la dévolution du, pouvoir, et être dans une coalition ou vraiment, une coalition qui profite à une fine minorité. Donc je voudrais vraiment donner ces précisions-là. Et aujourd'hui, ils sont trahis par leur réflexion. Là, surtout M. Diouf, la, la réflexion aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le pouvoir a en tête de, de, déstabiliser Khalifa Abou Parce que potentiellement, peut-être ils le prennent comme un présidentiable. Ça aussi, il faut, vous, êtes en train de, vous êtes en train de le manifester un peu dans vos propos. Donc je pense aujourd'hui, et je réitère, que euh, pour moi, même la mise en place euh, de, ce, de ce haut conseil-là suscite beaucoup de problèmes. Parce que pour moi, tu ne peux pas créer une réforme, euh, aller dans la phase 2 du réforme, sans pour autant évaluer réellement la phase 1. On ne peut pas évaluer la phase 1 dans ce Haut Conseil des collectivités territoriales. La phase 1 a été largement... Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui poussent à ce qu'on puisse euh, l'évaluer. Aujourd'hui, tout le monde sait que les institutions municipales issues de l'acte 3, toutes les institutions éprouvent des problèmes, et particulièrement Dakar. Donc je pense que ça, c'est une question de volonté politique. Voilà. vous allez laisser votre, euh, <coughs> votre voisin. Oui, allez-y, allez-y. parce qu'en en fait, mhm. c'est important ce qu'il vient de dire. Mhm. Euh, parce que, oui, Khalifa Sall ne peut pas être de l'opposition en étant responsable de la vie politique du Parti Socialiste. C'est un cadre du Parti Socialiste, parti éminent, qui prend part au Beno Bokoyakar. Le Beno Bokoyakar gagne aujourd'hui à Bourg grâce à M. Ousmane Tanordien. Donc, jusqu'à preuve du contraire, au plan institutionnel, je ne parle pas de la réalité. L'activité politique de Khalifa Sall est publique. c'est évident. Une mais, Mais, euh, mais voilà, mais, mais, la vérité, moi que le Parti Socialiste le bok, mm-hmm. et puis que le Parti Socialiste benno benno bok le bok. Donc, ça a un problème. Bir Parti Socialiste, là, n'est pas waaye ñun benn bokk yaakaar. problème problème waa waa même ma yeggalee rek sëñ bi nag. sëñ li ma wax mooy ñun parti socialiste sunu allié la en tout cas de paire, et au cœur du benn bokk dans la stratégie c'est le parti socialiste qui fait partie des partis leaders jusqu'à demain or ki nekk responsable vie politique parti socialiste tey Khalifa Sall donc Fok, à un moment donné pour nous, bokk ci opposition bi mu nekk ci posture mais jusqu'à présent PS le bokk loolu laa bëgg wax rek. mais hmm. li muy def moom biir Ndakaaru man li mu wax sànq ci ci ci nasaraan ma ma wax ko ci ci ci ci ci wolof mooy kenn xoqatalu ko kenn buqatalu ko kenn xuufu ko kenn rëbbu ko xalifa dañu ne prib ci élection yi président dafa yeble ne ay ñoñam bu kenn ut liste xale dem leen seeti xalifa ngeen ànd ak moom ci élection yi bañ demee ànd ba sottiwul ñun jàpp nañ ne jógewul ci ñun waaye gannaaw ànd ànd ba sottiwul sottiwul nañ jàpp ne sottiwul rek

Moi li ñu bëgg a noté ci élection yi au niveau national moi d'abord abord Benno Bokk Yaakaar gañewaat na ne ci réew au daanaka ndax ci euh, ñeent fukki département département durom, juróom daanaka ñeent fukki ak ñaar Benno Bokk Yaakaar moo ko gañe mooy wane donc projet bi mu jox askan wi bi mu leen laajee ci référendum bi nee nañ ko waaw bi mu ne nag day jëmmal institution yi mu tënkoon ci biir référendum bi ñay représenté population yi dolli nañ nako waaw fi ci Ndakaaru nak liñu ñu mooy euh, Khalifa gañe na naam ñu di ko ci ndokkeel wax dëgg yàlla mm. ndax démocratie noonu lay doxe waaye ci dëgg-dëgg mun nañ seetlu itam ne écart ba mu doon gañee wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax mu mel ni kon dynamique politique bi fi ne woon ci référendum bi mu ngi continuer ñu di ko rafetlu te it di rafet rafetlu li nga xam ne def nañ ko ci jàmm te fitna amu ci waaw waali yow ban jàngat ngay amal euh, ci euh, élection tey <coughs> waaw jàngat bi moom xanaa rek dëppook li xam ne ñun ci loolu teg suñu bët euh, suñ ko xaymaa ci wàllu réew mi yëpp comme ni ko maa aw waxee mën nañ ne coalition benn bokk yaakaar moo féete kaw ndax ci ñeent fukk ak juróom ñett donc ñoo ko ñett ñaar mais je crois que euh, pour le moment ñaar moo ñu nekk ñaar la wax loo xam ne aussi mm-hmm. euh, wóoruma mais <clears throat> te lii dafa doon loo xam ne day ñëw rek dëggal la génnoon ca élection yi nga xam ne moo amoon ca euh, élection maire yi ak gox waxaane yi yi amoon en 2014. parce que il faut ñu fàttali askan bi ne ñi nga xam ne tey ñoo doon sànni xob du askan bi c'est-à-dire que conseil municipaux yi yi ñu faroon ci maire yi ñoom ñoo xëy dem di sànni xob. te ñooñu dañoo jóge woon ci ay kuréel politique te kuréel yooyu benn bokk yaakaar moo ëpp la woon lu mu ci dajale woon ci boobu kon tey suñ demee ba benn bokk yaakaar jëlaat mbir bi lu ci ëpp du surprise rawatina aussi fii ci dakaar su dee coalition taxaw Dakar bañ ca tolloo moom moo ëmboon lu ëpp ca conseil yi que tey coalition taxaw Dakar gagné doon na loo xam ne aussi du surprise jaadu na aussi ñu ndokkeel leen ci te amu problème waaye aussi tamit a ah, su fekkee danga amoon comme ni ko Bamba Fall waxee juróom-ñaari téeméer ak lu topp ci ay conseil nga tey nga toll ci euh, juróomi téeméer ña amoon ñaar ña amoon téeméer téeméer ak fanweer dem bay bay am bay am euh, ñeenti téeméer ak ak juróom fukk lecture war na mën a am ci ciw ci mën am ci wàll boobu mais daal li am solo mooy <clears throat> compétition bi jaar na yoon nit ñi wacce dañ ci dal ci jàmm ak salaam dégguma fenn fu ñu ne ci senegal élection bi am na fur wala amul fur kenn waxu ko ñëpp d'accord nañ ne ñi gañ gañ nañu li am solo nag dëgg mooy li tax tey ku nekk bëgg jël ay ndaw yóbbu leen ci kër googu nañu fexe ba kër googu doxalinam taxawaayam ak jëfam doon loo xam defee amul njëriñ askan bi kon pour man loolu mooy vraiment li ma njëkk xalaat ci wàllu élection yi. waaw Ablaye Pouy. waaw man de élection yaakaar naa ni mu ko waxee woon léegi rek man lu may laajte mooy fan moo am surprise amul fen hmm. dama ne du woon élection dañu doon wàññi ku nekk mu doon wàññaat ay nitam ba xam ñaata ñoo des si moom parce que élection conseil municipal yi la. élus locaux yi te kenn ku nek xam nga ñaati élus locaux nga am si fu ne chiffres mu ngi fi donc ku ne xam na fa mu wara gagner xam na lamu am amul fenn fu am surprise donc dama dañ doon ñëwaat di wàññi di confirmer ku nek ndax la wonte poste poos ba mu nga fa ba léegi euh, may wax ne léegi wax naa ko ci ki dañuy def keroog euh, mbaaw wa euh, PDS ñi ax waa bokk gis-gis bi nga xam sala bokku ñuy waxtaan mën na leen ne affaire bi élection yi c'est dans le bouki la manam mom bamu mu nak nag dafa ne bi daf ko def juróomi xaaj mu ne bii pour bukki la bii njuur bii sàmm bii ko yaayam dee te moom la yaayam dee mu ne bii jëkkante la ku ji jël te teg naa sama loxo mais enfin il prend tout téeméer ak juróom fukki eh, au conseil moom mu ne juróom-ñaar fukki jël naa ko maa moom ku ma neex laa koy jox mu ne juróom-ñetti fukki moom ngeen di jël mu yóbbu ko si si département yi ñu xëccoo ko te xam nañ ne département yi ñeent fukk ak juróom yi ñoom dama ne ñeent fukk ak lu teg ñoo ko moom loolu dafa leeroon ñëpp xam nañ ko si këyit waaw bon lan nga bàyyal gars yi dama ne dafa ruslu ñu am benn au conseil ba nga xam dina am téeméer ak juróom fukki membre te la ci bokk si ñi àndul ak ñoom matuñu fukk démocratie bu buy demandé démocratie te naan man démocratie bu mag la war nga mën a fexe ba fépp fuy nekk mu am contradiction mu am ko laan déet attention li nga wax lu mu pertinent pertinent mu lëmbataat xoolaat di génn di wax di apprécier wala déprécier loolu feex amuñu ko si démocratie amuñu dara waaye téeméer ak juróom fukk ñu ne li bokk si opposition bi du mat fukk ñu ne tey résultat yi macha allah la ba suñu defoon ñaari lis am proportionnel am majoritaire su boobaakat dina xaw a may possibilité yeneen parti ñu am fa ay représentant malheureusement pour nous. mais loolu est-ce que techniquement nañ ko def. techniquement wax naa ko léegi si nasaraan ako moo mën a nekk gis nga dama la wax léegi mën na la buur lu mu bëgg a def def ko balaa kaa xam temps buuri rek nga nga am lu mu soxla waaw yéen buur PDS alawaat bi lu mu def def lu mu yow kay suñu buur suñu buur PDS Ablaye Wade si ngeen bokkoon neuf ans defar naa ans ñaata at ngeen si am. non président laa wax. son bokk si Abdoulaye Wade. dama ne ça c'est vous yow yaa wax Sénégal a ngi lay bu dee Macky mosul bokk si Abdoulaye Wade. ba tey nga ne ma seen buur tey bu la neexee ngeen si seen bopp. mais yaakaar naa man man dama lay wax rek mu leer non. non buur. lu mu bëgg. daf kay am loolu nga wax. waaw lu mu bëgg a def def ko. waaw di loolu nga wax. waaw waaw moo tax ma ne yow bañ ci tolloo yow. waaw sa fi nekkoon. lu ko neex la def. parce que parce que parce que bi ñu amee Sénat le Sénat c'était combien de ñaata ñaata ci ci ci yi ñaata lañ doon fal quarante. kon sëñ bi yow. jërëjëf bàyyi ma yeggali waa kay eh, dinaa la tontu foofu danga ne ma sama buur ma ne la sama buur boobu sa buur la woon man bokk gis-gis laa bokk ñoox yow ñoo fa nekkandoo woon yow yow yaa yow sa ki yor tey sa parti responsable ya mu fa yoro yoro yoro yoro ken yoro ko fa bon tay bul na sa bour bañu koy def ya ngi woon yéen a ngi woon ci biir te waxu ko de un ben bi moy manuma gem ngeen bàyyi rek nan pré Abdoulaye Wade li mu fi defone ki dafa defone ba peuple nag la ngay def baaxul bëgguñu li kay leen yeen yeen ñi xamanté yeen a yeen man ñu jox leen ngeen def leneen ngeen jël repère ci li ñëpp ne baxul won Sénat bi ñepp na baaxul won nga yow moom nga jël repère na sen bour la defone dama ne je reviens à la charge dama ne bañuy defar au conseil te bëgg ñepp bokku ci parce que lieu de concertation là, loolu mo ci am solo ci idée bi dañu won def liste proportionnelle ak liste majoritaire proportionnelle moy man nañ def si si liste nga xam national. bu conseil voter, ba paré xam nañ ni au niveau national kenn ku nek ñaata la am ñu jox ko loolu non la ñu def si député yi noonu lañu ko def waaye téeméer ak juróom fukk nga ne juroom ñaar fukk yi mom fi la dama ko dajal sama gaay yi léegi juroom ñatt fukk yi nañ dem ci département yi xam nga ne département yi ñeen fukk ak juroom yi ñeen fukk ak ñatt yi wala ñaar yaak mom nak loolu moy sama problème motam tax ne résultat c'est un peu malheureux mais bëggoon nañu vraiment ñi ñi rafet lu wul sax au conseil bi sax ci départ bi amoon ci idée bëggoon naa ñu nekk ci biir ba xam la fay xew bu ñu apprécier ñep xam na baax na voilà euh, bande job waaw man ma ngi rafet lu bu baaxa baax résultat yi nga xam ne génn na parce que wane na ni euh Sénégal Euh, am na ay ay ay ay dëkk ou bien ay département yoo xam ne am nañu borom fii Dakar wane nañu ne bu baax a baax euh, ànd taxaw dakaar mooy borom ànd taxaw Dakar nag Khalifa Ababacar Sall moo ko jiite. Euh, lu mel ne Ziguinchor aussi wane na baax a baax ne jox nañu bopp Balde mais ma bëgg a dellu si rek ne bu victoire moom benn victoire mënta tuuti. te victoire ah, yi daañu bëgg xajamal seen bopp waaw victoire bi moom mënta tuuti ndax lu tax mënta tuuti <laughs> mooy li nga xam ne <laughs> moo nekkoon njëlbeenu njëlbeenu taxawu dakaar xam nga njëlbeenu taxawu dakaar bi ñu demee en 2014 di ko waaj a créé mhm. euh, kilifa gi borom borom kër gi dafa yónnee ay ndaw ci meeru Dakar ne ko ñun de sa liggéey bi nga def baax na liggéey bi rafetlu nañ ko waaye bu fekkee da nga bëgg continuer remplir waat da ngay jël lii nga nga jox ko keneen

parce que man gëm naa ni tey victoire bi ñu am su fekkoon dañu war a tëggaat pour renouveler mandat euh, bu ville de dakaar bu Khalifa Ababacar Sall dañ koy gañewaat te euh, euh, fal ay ay électeurs ay ay ay conseils municipaux ak fal ay conseil municipaux yuy fal ñu leen représenté ci au conseil bokkul élection te nag aussi maa ngi commencé bi may ñëw sama bopp leerul woon ci loolu waaye nag maa ngi commencé gëm ni léegi effectivement

wàññeeku bi nag am na ci ñoo xam ne xëy na dem nañu màkk am na ñoo xam ne génn nañu àdduna waaye nag am na ci ñoo xamante ni aussi bi ñu demee ba lottal commune yi nga xam ne ñun moom lañu yor itam ñu dañu ñàkk seen dañu xëy na dañu dañu dañu gisee neneen donc yooyu yëpp bokk na ci léegi nag euh, mënuma comprendre dëkk boo xam ne dañuy organiser ay élections pour euh, pour pour potentiellement xool ki nga xamante ni yaakaar nañu ni ëllëg war na mën a jël réew mi wala war na mëna a ci ay élection yo xamné ñonganté njitu réew la ñu xol réaction di xol ni ngui koy wañé donc man ma ngi bëgg gëm ni nak légui ni mom xeyna dafa doon ko xamanteni ni euh, dañ ko sédd ci ëllëgu réew mi donc lool ma ngi ci sante bu baaxa baaxa baax ndax comme man euh, coalition bima bok ki ko jité tay bok nañ ko ci nga xamanteni war nañu ciir ci réew mi lool man dama ci sante yalla bu baaxa baaxa baax mm-hmm. té di gëreem nak bu baaxa baax wa Dakar Dakar kese ñoom moom ndam li ndax ñoom ñoo wane ni malgré euh, yi ñu def euh, moyens yi ñu déployé pour jël li nga xam ne mooy tas conseil municipaux yi fexe ba ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñooñu résister nañu te tey jii moom moo ñu jural vraiment njëriñ bi ñu am. Hmm, waaw waaw li ngeen doon xeex euh, Khalifa Sall finalement gars yi ni moom moo fi moom. <laughs> Dakar mom moy borom mom non non Dakar. ànd taxaw Dakar mooy borom te wane nañ ko. lu ma ñu ne li doon xeex Khalifa Sall. c'est-à-dire il faut que parce que li muy wax Khalifa du wax ñoom ñoo wax ñoo wax Khalifa. mais gis nga homme politique ana xam parce que ma xam lu baax li wax donc c'est-à-dire homme politique da ngay éviter di méngale sa sa jëm ak institution. bi ngay bi ngay. bi ngay jiite bi ngay incarné soo ko defee rek c'est-à-dire ku laal ville de Dakar rek dana laal Khalifa Sall ku laal Khalifa Sall rek dana laal ville de Dakar donc da ngay fusionné sa bopp ak institution ngay jiite. Hmm. teg Dakar waay en toute démocratie en toute responsabilité ku ñu jox bopp day leer mais joxuñu la ko pour nga yaakaar ne Dakar yaa ko moom. Bakula Dakar yo lelal. Hmm. Soko deferek, dengo jumpar de cina et Et pour moi ça c'est pas bon. Beren affaire moi. Khalifa, quand a avons commencé cette, qui, j'engagne tu réunion Sénégal 2017 ou 2019 ou 2024. Mais mais mais mais pourquoi pas? Mais Khalifa, on politique là? Manmi, pourquoi mon réunion c'est de 2017, 2019, 2024 ou bien en 2029?

donc quand on est parti y y a politique te soo Le politique da ngay défendre ses intérêts. acte boo posé muy moom du nguur gi ak keneen ak opposition ku acte proposé nga posé rek li wax y a un soubassement politique mais yow yow mënu la nag ngay posé say acte mu am soubassement politique nga est en face de bu ñu posez benn acte bu am soubassement politique mais quand même écoutez ça mënu nekk mais encore une fois man li may

ñu wote ci beneen liste te ñëpp bokk dakaar na ñëpp dellusiwaat seen xel teg dakaar ci digg bi parce que sinon rek suñ deful nank rek instabilité mun na am au niveau de toutes les communes te man personnellement Wali Fall bokk ci benn bokk yaakaar ñaanuñu ko parce que loolu du intérêt Dakar.

président bi nga xam ne dafa njaboote ñëpp dafa ne moom li mu bëggoon mooy ñëpp ànd ci ndakaaru topp ci ginnaaw xalifa loolu antuwul te jógewul ci moom li xaw a doy nag léegi mooy ku nekk da ngay jóg rek ne dañ may xoxatal di ma xoj dañ ma bëgg a tere jot ci lii ngir daal ñu jàppe la koo xam ne dañ la jàpp ci ruq bëgg laa néewal doole ndax sénégalais daa bëri yërmande loolu xewul fii fii kenn xojul kenn kenn terewul kenn noyyi ñu bëgg a am mille nationalité ngi koy am

institution ba ñuy indi dafa waroon renforcer démocratie bu fekkee renforcer wu ko bu fekkee renforcer wu ko ça veut dire que ngu kii nga xam ne moom mooy incarné nguur bi dafa bëgg nguur donc pour man séddale bukki la ndax séddale boo xamante ne da nga jël 70 ne 70 yi mën maa koy distribuer ba pare 70 yooyu dinaa la wax dara loo xamante ni am na conseil municipaux yoo xamante ni waxuma sama conseil municipal am na conseils municipaux yoo xamante ni ñu ngi nekkee boor yi ci biir dëkk bi nekk Dakar am na conseil municipal yoo xamante ne dañ leen waxoon boo leen fexee ba rassembler vingt huit signature dinañ fexe ba président boole leen ci ñi nga xam ne ñoom lay jël ci ci ñi muy choisir yooyu yooyu yooyu dund nañ ko mm. léegi nag aussi Waly li mu wax euh, léegi nii euh, su euh, venant d'un ancien maire c'est pas du pour man du kàddu koo xam ne kàddu for la kàddu gu am solo la parce que fi mu nekk nii tenté nañu yëngal conseil municipaux yi am na conseil municipaux yoo xamante ni fexe nañu ba ut ay xeex am na conseil municipaux yoo xamante ni fexe nañu ba démarche bi metti pour lépp pousser yenn conseil municipaux yi ñu dem ci délégation spéciale mais loolu dama bëgg wax ne euh, nit ñi waa waa Dakar mat nañu mataay boo xamante ni nguur gi du leen piéger ci loolu te aussi ma dellu ne man ak moom Euh, dund nañu conseil municipal ville de Dakar moom xam na ne bés bu ñu duggee biir conseil municipal ville de dakaar moo fay parti keneen du fa parti te yaakaar naa ne loolu itam euh, yàlla dimbali nañu ba antu nañ ko en tout cas ci suñu conseil municipaux yi ñaanuñu musiba yooyu dal ci suñu conseil municipaux yi par contre aussi ñaan nañu tey li nga xam ne moom moo jénn ci élection yi te lépp nekk ci jàmm dakaar yëpp ak Sénégal yëpp dund ko ci jàmm ak salaam Et aussi euh, institution bi nga xam ne moom la créé doon institution boo xam ne euh, dafay renforcer un peu acte trois bi nga xamante ne ci ay coono kese lay teg. waaw tab euh, Ablaye lan ngay tëjee waxtaan bi. waaw man dama lay gërëm di la mhm. santé si invitation bi di santé ñi ñuy seetaan di déglu. di wax li mu waxoon léegi ci nasaraan mané nañu bàyyi xel ci institution bu mag bi di président ki nga xamante maire mooy maire capital dafa am solo. Mhm. amone France président bi nek fi euh, maire u Paris nek opposant mhm. mais ça c'était très bien passé waye bamou amé Madagascar président bi awni ni euh, maire u euh, capitale bi nek opposant dem nañ ba dëkk bi jaxoso ba mu mujjee coup d'état mhm. lepp am na fi duñ am Sénégal xalaatuñu ko mais dama leen bëgg wax né man no indi instabilité dans notre capitale mhm. donc intérêt bi ça si président lañ ko gatch que lool mom mu dox ko ba nga xamanteni ah, loolu dina dal xelu sénégalais en parlant de Dakar je vais juste je ne peux pas ne pas parler de Pikine voilà j'ai ñu ànd doon nekk ci lépp ba tey ñu am coalition alternative euh, patriotique euh, waa PDS ou bokk gis-gis bi bok wa waa taxaw Dalifort ñu àndoon ak Khalifa ñepp ñu taxaw euh, ba yalla def sur les 942 conseils yu fa am ba ñu départ on était à 200 conseillers yoo c'est des libéraux mais si nous avons fait votre ville, nous avons fait moins de 100 voix. Et absent, ça fait presque 120 Ça veut dire que le plein potentiel Diara, nous avons félicité. Maître Salon, tous les 8 maires de Pékin, nous avons aussi félicité. Nous avons fait de la population. Nous avons fait le président du contenu de la constitution. Nous avons fait la mission de la mission. fa la ñuy xaare président la ma waxoon léegi moom lay wax ndax tay ñun commune dañu xif xif ba nga xamanteni ñu bari amuñu lu ñu faye seeni ay euh, euh, employé di gëna am solo ñun bu ñu doon laaj suñu xaw dañ naan 3 milliards yoy par année jox leen ko euh, commune ñi nga xamante dañ mënuñu fay seen salaire amna maire yu daw 4 mois duñu tok seen bureau ndax mënuñu fay seen ay employé à Pikine en tout cas yu ma dëkk donc loolu am na solo nañ ci bàyyi xel ñu bañ a jël xaalis yëpp def ko si au conseil bi pour muy joxe xalaat maire yi nekk ci problème loolu daal laa doon tëjee di leen sant ci invitation jëf merci euh, beaucoup Abdoulaye euh, Pouy moom mooy maire bu Mbao bokk Bokuti ci euh, gis-gis bokk gis-gis bokk ci coalition alternative euh, patriotique Banda Diop euh, mooy maireu Patte d'Oie bokk ci Dakar Pape Maawa Awa Diouf bokk ci Benno Bokk Yakar, Wali Fall Nekon maire Jëppal Derkle, Mom tamit mu bokk ci Benno Bokk Yakar, ngi leen di gërëm mbokk yi yeen ñi doon bayyi xel suba jàmbat légui ak euh, élection au collectivité au conseil du collectivité collectivité euh, territoriale bi nga xam Dakar japp nañu né euh, ki di Khalifa Sall ak and taxaw Dakar ñoko ko gagné waaye département yi nek Sénégal yëpp mën nañu ne pratiquement à l'exception de deux wala trois yëpp Benno Bokk yaakar moko ko gagné dañuy dellu si waat nak ak yenen ni jàngat ak yenen ni débat ci DTV ñu fanaan ak jàmm jërë ngeen jëf